mangi won eh, biñu defé tirage au sol mangi won donc ah, sori wu ma won tara sori won mais malheureusement biñu eh, gëné résultat de résultats. gis né dama am doublon yu bari ñaata euh doublon yi yegg na au moins 20 000 20 000 waaw te yooyu maa ngi seetlu 25 000 même parce que je ngi seetlu ne en même temps benn candidat laa ko bokkal

Mais nous, euh, heureusement, avons une euh, possibilité euh, vraiment rattraper. Il y a quand même régulariser quoi 25 000. 25 000. 25 000 là, voilà. D'accord. Mais je sais que ce problème parce que nous, nous devons prévoir. Toujours. Sorale, oui. Nous devons sorale. Toujours, nous devons déposer, nous devons utiliser le bril, le bril, un caillou, mais le bril, nous devons. Mais il y a un caillou blanc Non, nous devons essayer de dire quoi là, Boubard.

xam nga mënoo ci am vraiment affirmation wala certitude waaye daal euh, lu xaw a doy waar la